Je suis, je suis très heureux. Si, si, Voilà, nous sommes avec M. le recteur de l'Université Gaston Berger, professeur Marguerite Diaye. Vous venez donc, donc euh, de participer à la marche de la paix organisée par les ambassadeurs de la paix de l'Université Gaston Berger. Euh, quelle appréciation faites-vous Une appréciation très positive je suis vraiment honoré et heureux d'avoir participé ce matin à cette activité qui est très essentielle dans la politique de maintien de l'ordre, de la paix sociale au sein de notre université. Très important, d'autant plus que les universités sénégalaises ont en ce moment une mission essentielle, une directive du gouvernement et cette directive consiste à faire revenir la paix dans nos universités pour que nous parvenions à avoir un calendrier stabilisé, un calendrier normal et rattraper vraiment le retard enregistré dans le déroulement de nos enseignements. Donc c'est le lieu de remercier les organisateurs de cette activité et surtout nos partenaires de l'USAID et de l'IFES, mais aussi de tous mes collaborateurs de toutes les directions qui ont eu à participer et à contribuer à la réussite de cette activité. Ces remerciements aussi sont dédiés aux étudiants dont la représentation, la présence aujourd'hui est d'une importance capitale. Surtout les étudiants qui ont été formés par nos partenaires pour servir d'ambassadeurs de la paix et qui, depuis leur formation, n'ont cessé d'œuvrer pour le retour de la paix et du dialogue social au sein de notre communauté. Donc c'est ce que justifie ma présence aujourd'hui pour encourager, pour soutenir cette activité et soutenir surtout toutes les entités de l'université qui désormais vont œuvrer pour le retour de la paix, de la concorde, de l'interculturalité, d'une politique de paix, d'une politique de communauté pour que nous, pour que nous puissions aller vers une année normale. Nous nous battons pour rétablir le calendrier universitaire au sein de notre université. C'est notre bataille quotidienne. Et nous ne pouvons que remercier et soutenir toutes les communautés qui participent à ce retour et à ce maintien de la paix au sein de notre université. Donc, euh, hein? d'accord. Monsieur le recteur, euh, professeur Magan da nga di de la paix euh, lan ngay yëg tey. Euh, dama am mbégte bu rëy pour ñëw fi tey jii si dimanche bi dimanche lu metti la parce que dimanche d'habitude dañuy wax nit ñi dañuy noppalu waaye tey du dañu jël dimanche bi sacrifier suñu dimanche pour ñëw fii pour ànd ak étudiants yi surtout ñi tudé les ambassadeurs de la paix ñi nga xam ni seen mbébét yëpp pour jàmm jàmm si université mais jàmm aussi si diggante nit ñi. Nous sommes tous université sommes pourquoi parce que nous sommes formés. Nous sommes partenaires yu USAID e e et yu IFES et nous sommes étudiants parce que nous, avons une une représentation Nous yi fi ñu pour que pour que année yi nu am nga xam ni dañu tardé trop si si jàngale bi nous mën ko rattraper loolu la université bu bëgg loolu la ministère bëgg loolu gouvernement bi bëgg di Sénégal motax képp ki nga xam ni fay liggéey si loolu ñun ñu def lu dul soutenir donc ma ngi remercier sama collaborateur yëpp en commençant par les directions de l'université yi nga xam ni ñoo soutenir activité bi de par leur présence mais aussi seen dimbal gi ñu jox étudiants yi pour mu nekk réussite di remercier les ambassadeurs di remercier étudiants yi fi ñew yop tay su suba bàyyi seen nelaw bàyyi seen ay révision bu ñew pour li nekk réussite pour que bu nu yàlla defalee jàmm nu mëna délu dellu siwaat si année normale retrouver son excellence hein d'ailleurs nous sommes toujours excellents une université d'excellence mais renforcer son excellence université Gaston Oui, bonjour. Je suis Frédéric Ndeki, je suis chargé des programmes <clears throat> au niveau de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux au Sénégal. Je représente ici euh, Madame la directrice pays de la Fondation, qui est actuellement en voyage. Mon mot est un mot de remerciement à l'endroit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dont je suis issu. Je suis le produit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je remercie Monsieur le, recteur, euh, tous les responsables des démembrements du rectorat ici présents, toutes les autorités ici présentes. Je voudrais, au nom de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, vous remercier euh, sincèrement j'ai constaté euh, que l'Université Gaston Berger s'est approprié le, programme PAIV. Donc, est de promouvoir la non-violence et contribuer à la promotion de la paix et du dialogue au niveau du Sénégal. Le programme PAIV, euh, depuis septembre 2023, a travaillé avec six universités au Sénégal. D'abord, dans une première phase, avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar et l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Nous avons procédé à l'extension du projet dans une seconde phase avec l'Université Ibader Cham de Thiès, l'Université euh, Ibrahim de Kaulak et l'Université Alioun Diop de Bambé, d'où je viens. Je suis arrivé hier à Saint-Louis et j'ai vu que les ambassadeurs de paix à Saint-Louis de l'Université garçon Berger se sont appropriés le programme et sont vraiment en train de mener des activités dans l'esprit de ce programme. J'ai vu la mobilisation de ce matin. Vous avez pu mobiliser vos autorités, vous avez pu mobiliser vos camarades. Et cela est une chose que nous saluons et nous vous encourageons à continuer euh, dans cette dynamique. Je reviens pour remercier encore Monsieur le recteur. Monsieur le recteur, vous avez non seulement donné de votre temps, et malgré la charge de travail que vous avez au sein de votre université, vous avez mis à la disposition de ce projet un des membres de votre staff. cela est à, à saluer. AFS, avec notre partenaire USAID, euh, euh, vous remercions sincèrement pour euh, avoir donné se cacher à ce projet. Dans toutes les universités où nous sommes passés, je pense que vous êtes l'université qui se véritablement euh, mobilisée dans toutes ses composantes pour donner un peu de votre temps à, ce projet et l'aider à atteindre ce niveau euh, de mobilisation et d'atteinte aussi des résultats. Nous vous remercions pour cela et je ne vais pas tirer en longueur. Comme vous le savez, ce programme est un programme de dialogue et vous avez vraiment euh, promu le dialogue au niveau de l'université, mais aussi de la communauté saint-louisienne. Merci de votre attention. Ainsi, le dialogue est un outil puissant qui peut prévenir l'escalade des tensions et promouvoir la compréhension mutuelle. Lorsque les étudiants et les forces de l'ordre se trouvent en opposition, c'est toute la société qui en pâtit. Les parents inquiets se demandent si leurs enfants reviendront sains et saufs, sauf les, forces de l'ordre, quant à elles, sont partagées entre leurs devoirs des jeunes, l'espoir de demain, se dresser contre elles. Ce climat d'incertitude et d'angoisse peut dissiper, peut dissiper par une seule chose, le dialogue. L'instabilité universitaire n'est pas un phénomène isolé. Elle est le reflet d'une déconnexion plus large entre différents stades de la société. Chaque confrontation entre étudiants et autorités déstabilise non seulement l'université, mais aussi les familles, les communautés locales et la nation tout entière. Les affrontements passés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui ont malheureusement conduit à la perte de vie, sont des rappels tragiques de, ce que l'absence de dialogue peut coûter. Les conséquences de ces crises s'étendent bien au-delà des, murs du campus. Elles affectent la qualité de l'enseignement, perturbent les calendriers académiques et plongent les familles dans une inquiétude constante. Chaque perturbation signifie un retard dans la formation de nos futurs leaders, un frein à notre développement national. Le dialogue, en revanche, offre un moyen de désamorcer les conflits de trouver les solutions concertées et de garantir un climat sain propice à l'épanouissement intellectuel et social de nos étudiants. En conclusion, il est impératif que nous fassions du dialogue un pilier central dans nos relations, non seulement au sein de l'université, mais aussi dans la société en général. Promouvoir la paix, c'est garantir un avenir où chaque étudiant peut étudier en toute sincérité, où chaque famille peut vivre sans crainte et où chaque force de l'ordre peut accomplir sa mission dans le respect et la dignité. Faisons du dialogue notre priorité pour préserver la paix et par conséquent la stabilité de notre pays. Ensemble, œuvrons pour un avenir où les conflits seront résolus par la parole et non par la violence. Nous, ambassadeurs de la paix, nous vous remercions.